Aí, por amante, dá um et applaudir encore une fois de plus. Qui nous a fortement appuyés, mais aussi d'autres partenaires qui sont des sponsors. Alors, et là, nous tirons un coup de chapeau au président de la commission sport, marketing, sponsoring marketing. Je vous nommer le vice-président, président de la zone 4B, M. Papsa. Et pour camper le débat, de BTS compte à son sein neuf zones au niveau du territoire communal, neuf au niveau du haut territoire communal dans le département, mais nous avons aussi des sous-zones. Et toutes ces zones ont fini de jouer le final à l'exception de quelques-unes. Et là, nous devons à la dextérité, au fonctionnement, mais aussi au bien suivi du président et de la commission qu'il a eu à mettre sur place. Alors, j'ai cité tantôt les partenaires. Nous avons Doukouman, le président de la, le président finaliste. C'est notre dixième. Doukouman, veuillez vous lever. Dans le cadre de voix, vous remercie du fond du cœur. Il prépare sa finale demain en départemental devant l'ASC de Pakistan, finaliste, toutes ces deux ASC, Oui, eu à gagner leur finale au niveau de leur zone respective. Il s'agit de deux de dixième au niveau de la zone 5 de de Caisse que dirige M. Biramso, mais aussi l'ASDF accent de Sonko, ici présent, qui a été aussi finaliste deuxième fois, mais aussi elle a, été, elle a gagné cette coupe 13 fois consécutive. Et là, il faudra faire des tournois de Sibéniar contre FR100. Et, comme du bonheur, l'Ingan, d'où tout le voie tu dis qu'il le boc. Le président Bachir est là, il est partenaire mais aussi il est finaliste, président finaliste honorable avec l'ASC Sampaté, qui va jouer sa finale en cadet devant Darou Salam demain au champ de course. Et la veille applaudir ses présidents, ses vaillants présidents, qui sont là présents, qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à ces équipes d'être en finale. Nous avons aussi notre école Serine Fallou, dirigée par Baïsari, le président de Yonondam. Et nous le remercions du fond du cœur. Mais aussi, vous avez les produits Madar, nous allons revenir sur tout cela. Nous avons aussi la télévision Prestige. Nous avons aussi Emer pour nous accompagner lors des finales zonales. Nous allons revenir sur tous ces partenaires. Nous avons d'autres partenaires, pour les individus et banderoles, qui façonnent au niveau de cette salle, bien ornée par notre chère sœur Dior. Dior, ma du Andi aussi à sa grande sœur. Nous devons nous devons et tout de suite, nous aurons encore quelqu'un qui n'est même pas un partenaire, mais c'est un ami de longue date. Je vous nommer le ministre des Sports et nous remercions du fond du cœur M. Amadou là-bas présent, à côté aussi d'une forte délégation, mais aussi d'autres partenaires qui nous ont appuyés. Il y a le lycée La Source, la liste est loin d'être exhaustive. Tout de suite, il y a la l'école Pape Jean-Paul II. Nous aurons Pascal Nyon. Tous ces gens-là nous ont appuyés et tout de suite, ils seront là, au niveau du Présidium, pour saluer vraiment tout le monde. Mais nous décernons une mention spéciale à ces délégués des zones, à ces délégués de cave, mais aussi tous ces partenaires, tout ce monde sportif. Et là, je vais citer d'abord M. Pape, Maître Pape le président de la Ligue régionale de football de Caisse, mais auparavant, un maire qui nous est toujours familier, je nommé Cheikh nomme Lo, qui est le premier acteur au maire de la commune qui Est que dirige M. Papa Sirudio, qui a eu à parrainer les finales au niveau de la zone 5, de la zone 5B, de la zone 3B, mais aussi de la zone 5A de l'ORECAB de M. aussi, qui nous a accompagnés, qui a eu aussi à parrainer les finales de la zone 4A de l'ORECAB de de la zone 4B de l'ORECAB mais aussi Papa Diop, de, compte tenu de la grandeur, je dirais même, de sa commune qui a eu même à parrainer la finale de la zone 1 e de l'ECAP de que dirige notre faillant vice-président, M. M. Diawara. N'oublions pas aussi M. Lamine Diallo, le maire de la commune Thiès qui a eu quand même accompagné la finale de la zone 2 de l'ECAP et la finale de la zone 1B e de l'ECAP que dirige M. Toumani Diallo, ici présent. À côté, je vais, je vais dire le nom en attendant, il est la présence de le TGN de l'État de caisse. Alors applaudissez vraiment tout ce monde sportif Venez communier aujourd'hui avec nous la huitième édition de la nuit de l'État de Et je vais vous laisser encore avec you Mais auparavant, je voulais introduire quelqu'un qui a toujours eu à nous accompagner. Il est plus connu sous le nom de Diop Nanan. C'est un émérite. Il est là aujourd'hui, en surveillant.

il faut reconnaître à mon président Rama madame la présidente keroog Je xool ba ne si fi ne rek il faut applaudir monsieur le président merci vraiment à tous nos partenaires Pour nous libérer rek dinañ juum alors partenaires qui nous disent di Roussey, le président de la commission sportive Sous le président de la commission médicale Birame le secrétaire général de l'ODCAV de Thiès su ma limee dinaa jum alors fekk ma jox la nga nuyoo campé débat bi alors Aïcha nga dalee ci wetu Clédor merci Aïcha merci ñi ngeen délégation bi andal Cheikh jërëjëf Cheikh seen yaa ngi rek mais li yow la jooran ci bir jigéen ci mën góor fu ñu ànd mu téral ñu gis nga à l'image du naan dans toute manière de faire à part une manière d'être aujourd'hui voici jor c'est le décor c'est c'est tout ce qui se passe ici non c'est encore. travail non. merci Doudou. eh ma Doudou bu baax a baax a baax. mbooloo mi asalaamaaleykum ñu ngi nuyuwaat ñëpp comme ni ko doyen Doudou waxee rek di nuyu autorités yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp waaye di defal nag mention spéciale président ODCAV ak président ORCAV moo bëgg ñu tàccuwaat leen bu baax a baax a baax parce nag. chaque année ñu organiser waaye bu ñëw dàq boromam ren gis nañ ñëw décor bi ni mu mel dafa gën a am amélioration di remercier nag ñi nga xamante ne ñoom la ñu parrainé tey gis bi di ci nuyu ñi nga xamante ni maa ko ni woon yow la président dégg poste waaye yaa ko jàppale ci ay poste muy le luminant directeur général monsieur Pape Siré Dia di nuyu Doudou doomu Kajoor di sët ci fanweeri damel yaar ñaar yi fi jaar yépp nag muy monsieur Clédor Fall ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax jëf ci dëkk bi di dee xool na mu gën a rafet ye mu koy def di nuyu ñi ngeen tudd léegi tey seegunu ku ci mel ni madame le ministre Ndeye Ramatoulaye Guèye Diop ak nag ki nga xamante ni incha allah yàlla nañu yàlla may jàmm waaye du yàgg dara dina ñëwaat fii Ceste ndax dina intégré li nga xam moom la ñu bëggoon muy monsieur Matar Ba le ministre des sports moom nga jotaat ci ko. monsieur le président ñu ngi lay nuyu di la di la xamal ni kontaan nañ ci yow mboq lu defaat ma dawraas bi yéen donc joojo kon Rama xamal ni tabarkàlla macha allah loo neex boo songee daal. Lat Joor ay samaam kàkkal ma xuraja bi daan dàq góor ñuy daw ma sayr bala ñaan bi di boole ba kër gi lépp. kuli joor joor ak Fatim Gaye Coro ba Demba Yaasin kootu doyu ba jéeg Lat Joor ko maay Lat Joor samaam càmmiñal juróomi liggéey yi ay sa taat kootu Samba ak Fatma ak ma xuraja ak Joor naam Diop maa ngi lay nuyu. di nuyu nag bay la baas boobu nga dendal di nit ku baax di nit ku gore ak nag taalibe sëñ Babacar Si boobu di kat. njool mbay xamante ni tabarkàlla kenn laajte ko lan a joxaat li nga xamante ne mooy kàddu gi ah, demal demal man dama lay accompagner rek ci daanaan ak ci tradition asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nekk mu nekk mbégte ma ñëw fii tey ndax euh, Thiès fi laa yaroo fii laa jàngee dem ba ñu mar def ma marraine seen édition bi du ma def lu dul di leen ci gërëm di leen ci sant di leen wax ni que maa ngi seen côté de tout temps maa ngi seen wet xëy na ni ma ci nekkee dafa xaw a ànd ak discrétion mais maa ngi ànd ak ñoom di leen accompagner di rafetlu bés bi lool. di wax ni Thiès moo fi daje tey et entre Thiès waa on peut faire beaucoup de choses donc mbooloo mooy doole ñu àndandoo comme nuñ ko defee nii nekkandoo benn di dóorandoo di dindeendoo pour que vraiment ñu mën a atteindre objectif yi ñuy xaar si ñun amuñu lu dul Thiès donc lu ñu def pour Thiès rek dañ koy xeeb mais on sera toujours là pour Thiès incha allah am ah, na madame madame ma gis ne euh, Thiès Prestige dafa nekk ci sa gox euh, di rajo ak télévision boo xam ni mi ngi mi ngi caali ñu ñun ñu ñëpp ñu dëkkandoo caali euh, sa nattangoo yëpp nag jaar jot fa jaar ba def visite bi tey jii ñu doon xaar ba xam ndax yow. kañ nga ñuy jox sa bés boo xam ne dañ ci war dañ ci war a mën a ñëw def sa visite comme comme comme ko ñeneen ñi def. man en fait maa ngi Thiès tous les week-ends Thiès prestige xëy na xameewu ko ni ma ko xamee nii tey mais loolu aussi erreur la si yéen ndax mënuñu bokk benn quartier ngeen nekk Thiès prestige et vraiment duñu duñu waxante bay rencontré wu fii. am naa ci part de responsabilité mais li ëpp si yéen la. est-ce que est-ce que du ñàkk a ñàkkoon a xam aussi ne tous les week-ends yaa ngi ñëw moo tax. ah xëy na mën naa am aussi mën mën naa am mais ça fait longtemps chaque week-end maa ngi fii sur le terrain di liggéey. waaw ah, mais donc kon war nga ñu mën a jox jour boo xam ne au moins dinañ la xaar pour pour loolu pour visite. sudul sudul woon li ma la xam sax dinaa fa ñëw comme Thiali la nekk Thiali moo ma ñor Thiès moo ma ñor su nekkoon en dehors de Thiès sax dinaa dem seeti ko Asta Malak bi nga xamante ni mu ngi sama gox merci. yëf yi moom maa tey amu ci moom xam nga rek ko yàgg na ci nawetaani balaa mu maa léegi mi ngi ci nawetaan kon kóolute rek moo fi am man moom de wóolu naa ko ba mat sëkk waaw même bu dee dem sax man xam naa guddi gi rek fu muy nekk xam naa ne mi ngi stade sa heure bu jeexee rek dina ñibbisi incha allah. waaw mais léeg-léeg ñu dem nga jëg jékki xol bi sax xaw a kii nga day tey moom ah, tey dama am dem amul wala loolu loolu doo ñàkk. non saa yu amee rek moom daf ma koy wax bu amul nag moom du ma ko wax. waaw bu amee bu amee dina ma tey stade am na mais bu amoon rek dina ma ne stade amul tey. kon daal wóolu te am na fa. Ah, waaw ah, waaw kon na di ko wóolu rek waaw. ba ba ba keneen ñëw. non bu keneen ñëwee ba uuf ko. Ah. waaw garaaw. mais seet nañu à chaque fois da ngeen di da ngeen di présenté da ngeen di représenté da ngeen di présenté wu ci grand rendez-vous ba ci barki Demba Ndiaye yéen wu ngi ci demi-finale yi.

bu jël troisième mu dem doon au niveau des phases régionales bon pour naa leader de CAF aussi lii aussi c' est la quoi retrouvaille bu boo xam ne ñëpp dañ koo la fête n' de la jeunesse c' est la fête n' est ce pas sport en général fii bon ñëpp daal dañuy kontaan parce que lii l' sport est fait seulement pour unir bu nekkee sport c' est diviser moom bu yaboon nañ ko nañ ko bàyyi loolu moo tax bi Gueye rek ñoo fi nekk le mouvement Ndeysaan kii la quoi c'est une famille qui est là bon ñoo ngi leen di gërëm leen sant la ñu amoon ci ñoom ñoom na ngeen def ak léegi soxna yi quoi euh, moment au moment où pratiquement presque nous passons tous la nuit euh, au terrain donc euh, nan ngay fexe ba génn nan ngay nan soxna yi ba ñu jox la boobu confiance ba nga war a di dem stade tous les jours di fa fanaan pratiquement parce que fooy nekk ba deux heures xam nga fa nga fanaan. waaw soxna aussi dañuy. comprendre ndax xam nañu nawetaan national léegi match yi guddi lay nekk te aussi day euh, day guddee nit ki nag bu amee ci yow confiance rek. foo mun a nekk day jàpp ne rek yaa ay ay loxo yu wóor dëgg moom def naa amuñu amuñu benn problème quelque fois nag moom ay classement de dents lu mun a mais après bon l'ordre day rétabli et la vie continue. merci. naa di ko si vraiment fekk ko si wala lu def loolu di ko si dama dund dund ndax bëgg rek bëgg ko vraiment. Ah, Eh, xanaa war na mën sax mais chaque jour chaque jour. non du ma ci mos a am xel ñaar ndaxte wóolu naa ko am naa si moom confiance daal. du ma nëbb dara. Ah, mais attention de bay kii est-ce que est-ce que war a jëm am jëm confiance boobu. suma chéri. waaw ah, d'accord ñun de cee sàdd la ñuy dund. man fanaan. waaw côté ma ñëw fekk si leen si rek waaw mais métti rek wax dëgg yàlla métti pour. rek la maanaam bu espoir du Thiès vraiment développé soo gisee ñu si sonn ba pare il faut ñu leen ba ba ba jeex problème bu rek ñu ñu kii ci terrain yi loolu rek moo ñu bàyyi ci terrain yi. Ah, ah, ndax yaa ngi tàggoo wala tàggoo woo waaw soxna si ndax mi ngi lay bàyyi wala bàyyiwu la. ñun ñaar dafay nekk. ko koy ko koy tàggoo. xam nga si. tàggoo amu si ñu ñaar ñoo fay nekk ba ba minuit une heure du matin ba deux heures du yàlla tàggoo amu si waaw wax euh, ak ndaw si kay dama ne ndaw si baaram laa waxtaan ak moom mais yow nan ngay dundee loolu waaw sant yàlla rek ndax euh, ñoom ñëpp muy ñoom Baylo ñoom Ousmane ñoom ñëpp képp ñu seq nu ma neetaan yëpp samay xarit lañu samay lépp la ñoom ñëpp dañ ma jox def comme sëriñ as nag moom sama xarit la waa buuba si sa waxi nopp ndax ñu ñett ñooy ànd su neetaan jeexee sax ñooy nekk surtout euh, <laughs> yéen yow it sa liggéey macha allah seen télé bi macha allah kon nag yàlla na yàlla jàppale leen bu baax yàlla na yàlla suturaal leen ah ñun ñii jaw ñëpp yàlla na yàlla barkeel yëpp ci barke alxuraan wasalaam. amiin waaw sant yàlla rek ak di sant ñoo nekkal ñuy wóoruma. bi ciy njëkk def mooy nuyu sama président zone tay bo xolé table bi ñu toog nga xam suñu zone zone famille la te président bi moom moo yaatal loolu lepp ñu bokk ndax tay bu ko neexoon tay mëna dem fay président zone yi toog mais moom toujours chaque année day ànd ak ñun ci même li ñu toog li ñuy liggéey rek dañ koy liggéey ndax Thiès lañu ñu juddoo fi lañu ñu yoroo fi la ñu màggee te suñuy njabootam ñu ngi fi dégg te ñaaw ñaaw nañu ñuy dégg ci lu ñaaw looloo tax lépp lu ñuy dugg rek ñu ci jéem def te ñu kàttu lay kàttan ndax yéen bu dul dara yéen ñii bu ñu leen xoolee fi ngeen jaaroon ba ba ba génn ñu tam war nañu mën a jaar fa ba ndax yéen yéenay suñu gannaaw yéen yéenay suñu modèle kon dara lu ñaaw waru waruñu loolu la duñu taxal rek euh, nuyu bi wane na ko loolu tey boo xoolee nii yëpp zone zone b la kon lii famille la ku ko seedaan di nga xam ne ñii moo leen bàyyi ci stade bi kon loolu rek lañ ci amoon lu ñuy euh, luñ ci euh, mooy suñu mbégte daal merci ba gisee guddi waaw guddi gi xam nga yow sportif nga ñoo bokk sport bi donc xam nga fierté la ñuy am bu ñu gisee Thiès le sport qui bouge qui va de l'avant parce que événement bi euh, dafa nekk événement bu neex a wane c'est un honneur de voir euh, les télévisions même prestige qui a encore les ñu wane lu mel ni je crois que ce sont des images à montrer Thiès doit être fier de son mouvement sportif en général et de son mouvement associatif en particulier. Pour nous féliciter le président Ousmane Diop, président Baylo et euh, nous nga tous sur le mouvement c'est un encadrement de qualité pour la jeunesse parce que je n'ai pas ku encadrer. encadré wu def en tout cas moi personnellement je suis très fier chaque fois que je viens à la nuit de la décave vous voyez le flambeau est maintenu assez haut et que par ce navetan aussi des talents émergent. waaw ah, mais euh, président euh, am benn question pour me bu ma waxtaan ce, ce ce ministre. Hmm. mu ne ma am nañ ci pas de responsabilité ñun prestige bien que moi aussi am na ci part de responsabilité parce que mënul dëkk ci koñu prestige. Hmm. lu Je ne am ci koñ ba. te kenn hmm. wax ko pourtant elle est là tous les week-ends. ma ne ko nag aussi. yow am nga ci part hmm. de euh, responsabilité parce que yow ñun bi ñu xamee ne tous les week-ends yaa ngi Thiès. Hmm. yàggul mu ne waaw effectivement mais man aussi ma jox la responsabilité bi yow. Hmm. en tant que directeur. jaar Prestige jaaraat fa. xam Prestige ñu mu nekk. da nekkandoo yéen ñaar. waroon ko mën a mën a waaw loolu effectivement dëgg la je pense que sax du Prestige du moom man maa jël responsabilité bi yëpp. parce que man aussi damay fàttaliku ni. Euh, prestige ba muy installé wu bokk na ci ñi njëkk am distinction bu mu jox donc lolu nekk lu rafet mu nekkoon aussi une relation bu étroite effectivement ma dem fa demati fa foog na lu bari ci yow la jaar euh momit muy une Thiessoise comme ni may wax mu nekk Thiessoise bu Thiès mën a am fierté parce que Thiessoise ça veut dire fulla fayda doo euh, bëri wax nangu liggéey bañ a je crois que moom style boobu la indi à Thiès te c'est un style Thiès Thiès waa noonu lañ mel donc elle est de fer son travail te la muy def aussi di que nañu communiquer sur des résultats maanaam balaa ngay woote di wax lay fekk nga liggéey jëf ba pare donc euh, la muy def tamit du mooy taxaw mais en tout cas c'est pour dire qu'entre elle et Prestige euh, je vais rétablir le lien comme je suis personnellement responsable parce que Prestige il est une à la recherche des personnes ressources de Thiès des talents de Thiès vous avez donné l'exemple par le sport par euh, d'autres disciplines par l'éducation boo Prestige son staff son personnel de voir parmi eux des Thiessois ça yow quand je vois Khalifa quelque part surtout euh, dans un domaine de communication qui a été consultant du sport na quand je vois comme Abdoulaye quelqu'un qui est très reconnu celui le l'éducation, ci c'est encore une personne donc prestige sais na fi mu teg tànkam dafa mel nag da ngeen bokk démarche avec le travail. parce que moi, je ne lay pas loxo ci des personnes de ce Thiès sans voler ce coow donc foog naa ne yéen ñaar war ngeen mën a léegi bàyyi moom kooku sama loxo nekk incha kooku moom c' une promesse que je fais parce que objectif bi ñu am c' est pour bâtir Thiès aujourd'hui ci président Macky Sall tànnee une Thiès waa def ko ministre c' est parce qu'il a bien regardé le président du dem à l'aveuglette donc dafa xam bu baax la personne qu'il a choisi donc kooku mu choisir aussi c' une Thiès waa ñun bu ñu yàggee bëgg joueur Thiès nekk équipe nationale yàgg suñu bëggee suñu mbër yi nekk si écran yi noonu lañ bëggee ay Thiessois si gouvernement bi donc suñu amee Thiessois si équipe nationale gouvernementale mais dañu war a nekk le public la l'accompagne donc loolu aussi waroo nekk aussi un di liggéey nit nekk dans l'équipe nationale di wër gaañu naan wutal leen moo ay fan si <laughs> donc je crois que Thiessois yi ils sont fiers d'elle parce que jàmm le seq ak ñëpp donc li ñu mën xam ci moom je c'est une fédératrice man personnellement li may toppee nit c'est des valeurs yow dañu quand ci loolu man du ma taxawaalu foo xamee ne nit ki wanuma valeur du alal du leneen donc je sais qu'avec elle on peut construire Yes. avec elle on peut aller loin sans tambour ni trompette et je pense que loolu aussi ah fësal nag dafa am ñu ko moom ah, Merci. ñu un peu d'expérience quand même par rapport au final histoire ces dernières années on a perdu beaucoup de finales euh, mais on a su tirer quand même les leçons de cette euh, manque de préparation battant le na il les dispositions qu'il faut et comme vous l'avez dit finale bi dafa finale ce sera une finale entre deux ASC a essayé de faire R100 avec de de Dëkkandoo pour euh, mon frère Ndoukoumane donc ce sera une une finale boo on va la jouer dans le fair play et la sportivité di ñaan yàlla rek supporters yi ñu ñëw euh, dans la sportivité que nous cultiver ce fair play là que équipe yi nga que le maire tamit a gagné. gagner mais en ce qui concerne faire R100 moom ni ñu daan ñëwee lañ toutes les dispositions. Euh, par rapport aux supporters une mobilisation exceptionnelle. par rapport à l'équipe aussi, on essaiera de mettre tous les moyens à la disposition de l'équipe pour que nous puissions faire les meilleures performances possibles. Et je crois que ce qui a la défaite, Inch'Allah, C'est pour moi un plaisir d'être aujourd'hui ici à Kies, ma région, pour euh, accompagner le mouvement Nawetan dans la septième édition de sa grande nuit. J'ai été d'autant plus émue qu'on m'a choisi comme marraine avec mon frère Siréga dont je salue le représentant. Et je lui demande d'être mon porte-parole auprès de lui pour lui dire toute ma gratitude à être à ses côtés, d'abord en tant que camarade de parti, aussi en tant que sœur pour euh, l'accompagner dans cette édition. Je dirais que le monde sportif ne m'est pas inconnu. Je suis d'une famille sportive. Mon oncle a été un international du football, euh, Djibril Alungé, appelé Petit Gay. Et très tôt, dès ma tendre enfance, j'allais au stade avec mon grand-père maternel pour vraiment m'imprégner du sport et du football en tant que tel. Donc je peux dire que j'étais une férue du football. Donc je me retrouve aussi aujourd'hui dans ce monde de sportifs. Et je vous dirais que l'organisation est très belle. La fête aussi va certainement être belle. Et je suis vraiment désolée de devoir me retirer. Comme ils l'ont dit, j'ai un calendrier un peu chargé. Et c'est aujourd'hui même que j'ai reçu les invitations. Et il m'a été très difficile d'être présente à cette fête. Mais malgré tout, j'ai tenu à être là pour vous, qui soit. Et je lancerai un mot à la jeunesse de façon générale pour lui dire que nous sommes là, à leur côté, pour les accompagner, les soutenir et essayer de de cultiver en eux des valeurs, en elles, autant pour moi la jeunesse, de cultiver en, elles des valeurs qui feront d'elle un citoyen modèle pour demain. Soyez assurés de notre collaboration et de notre accompagnement. Merci. Madame le ministre tu sant santam. tay sama teewaay fi luma rafet rafetlu la déjà en tant que Thiessoise et benen parti bi ñu désigné ma comme marraine tek sama wet euh, sama frère de parti sama càmmin euh sirédia di ko rafetlu bu baax baax di wax ay ndawam que mbecté la pour man tay ma nek fi ak mom di len wax aussi yeen Thiessois seen doom moo nekk fii seen yaay seen tante seen jarbaat et que lu ngeen nekk maa ngi ci dinaa leen accompagner dinaa ànd ak yéen su neexee sunu borom ba ñu jéem a seet ba jeunesse bi nekk fii Thiès ñu jéem leen tëggal ay jikko yoo xamante ni dul yem sa Thiès rek mais si Sénégal yépp incha allah ba ñu mën a am ndaw bi gën ndaw bi ñu namm pour ëllëg xam leen daal que ni.

régional de Thiès parrainel la ko yow donc yow Thioundou yow tamit mu wax ko ne bay loo ne ko dafa amul sa ndigal yow mu accepté ko donc mu ne kon tey teew te du ñu jël chèque bu 6 ko sa nee na nga joxal ko ko président Baylo Bass de tous les Baylo Baylo Baylo. booba dara doonul dara. moom bëri na bay la ñëwal non bay la ñëwal bay la bay la bay la waaw. salaam bay la Sylvain bay la. madame la ministre ñëwal. madame la ministre. merci. jërëjëf monsieur le président de l'ORCAV de Thiès mon cher ami Bayla Bass Monsieur le Président Ousmane Diop, président de l'ODECAP de Thiès, Monsieur le Président de zone, le Président d'ASC, Monsieur le chef de délégation du directeur général, cher ami Sireja, Monsieur Pascal John, cher ami, Cher maire, parce que je sais qu'il y a un maire qui a pris la parole au nom du président Idrissa Seck. Cher amis sportifs, je voudrais d'abord, à de pareilles circonstances, dire que cette rencontre est une rencontre de sportifs. C'est les amis de Thiès et les partenaires qui accompagnent le mouvement associatif. C'est la quatrième fois, si je ne m'abuse, que je préside cette soirée. Cette soirée qui marque un compagnonnage d'amis. Parce que qui connaît bass connaît forcément Ousmane Diop. Je cite ces deux amis qui sont ensemble pendant plusieurs années. Et nous tous, nous savons que le mouvement sportif est un mouvement de combat, de contradiction. Mais l'amitié est beaucoup plus forte que toutes ces contradictions. Et je salue cette loyauté et cette amitié entre ces deux grands hommes qui dirigent aujourd'hui dans le département de Thiès et dans cave de Thiès, le mouvement sportif. Je n'oublie pas Pape Sidilo, le président de la Ligue, les présidents de club, mais aussi mon cher ami Doudou. Thiès est un symbole dans le mouvement sportif sénégalais. Parce que la trempe de ses dirigeants montre effectivement que le sport est bien compris dans la région de Thiès, surtout dans le département de Thiès. Le sport ne peut plus être considéré comme un jeu. Le sport est une économie. Raison pour laquelle les entrepreneurs, ceux qui sont dans le business et qui ont bien compris et qui cherchent de la visibilité, seront forcément avec le mouvement sportif. Bien évidemment, on ne peut pas être dans un pays comme le Sénégal, qui en 2018 est allé jusqu'à cas Buenos et s'est vu attribuer les Jeux olympiques de la jeunesse. Et qu'on continue à considérer le sport comme un jeu. Et je voudrais lancer un appel à partir de Thiès pour que ceux qui ont osé être dans le football professionnel, qu'on les encourage, mais que tout le monde pense à monter un projet sportif et se faire financer et c'est comme cela qu'on va accompagner efficacement le développement économique et social de notre pays. Je voudrais dire, tu l'as dit Doudou, parce que Thiès est ma deuxième ville après Fatigue. Parce que mes amis sont des Thiessois. Et je voudrais déclarer mon appartenance à Thiès. Parce que les amis que j'ai, je ne parle pas amis parce que nous sommes sportifs. Mais Dieu a fait que si je dois compter mes dix amis, je peux dire que les 5 ou les 6 sont de Thiès. Donc, je suis interpellé par tout ce qui se passe à Thiès. C'est pourquoi je me suis engagé sur instruction du président de la République pour faire de l'Adjor le prochain lieu où l'équipe nationale va recevoir. Parce que nous allons vers la fermeture de Léopold Senghor et que l'équipe nationale du Sénégal est dans des compétitions internationales. Nous nous battons pour que Thiès soit homologué par la CAF et que les prochains matchs soient joués ici à l'Adjord de Thiès. Mais au-delà de ça, il parlait de dégâts, mais ce ne sont pas des dégâts. C'est les conséquences heureuses de la réhabilitation de l'Adjord de Thiès parce que cette réhabilitation va nous forcer d'entreprendre ce qu'il faut pour réhabiliter Manyang Soumaré et de mettre là-bas un gazon synthétique. Parce que le gazon naturel ne pourra supporter le nombre de matchs parce que Thiès, à part Dakar, compte beaucoup plus de clubs et d'ASC. Mais on ne va pas s'arrêter à Thiès parce que toutes les communes voisines de Thiès seront dotées de stades municipaux. Nous commencerons par Ngunjan, mais nous allons à Toubatoul, mais tous les autres lieux, Mbake est loin de Thiès. Je parle du département de Thiès. Parce que Thiès fait partie du pôle. Nous voulons faire du Sénégal un sportif. Nous n'irons pas jusque chez moi. Bien évidemment, Fatigue, il y aura des stades. Mais la priorité, c'est faire de sorte que, ici à Thiès, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Djurbel et Kaolack. Toutes ces grandes régions-là seront dotées d'infrastructures sportives de dernière génération. C'est cela qui fera de notre sport un sport performant. C'est pourquoi quand je vois cette mobilisation populaire autour du sport, je suis rassuré. Je suis rassuré parce qu'en réalité, le Sénégal est un pays de sportifs. C'est pourquoi quand on a un président qui est à l'écoute des sportifs, nous qui avons ce virus, parce que ce virus, nous le partageons, nous tous qui aimons le sport, nous sommes rassurés, parce que pour développer le sport sénégalais, il faut avoir un président de la République qui est à l'écoute des sportifs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pourquoi 2018 est consacré l'année des grandes premières, parce qu'il y a beaucoup de grandes premières en 2018. J'en ai cité tout à l'heure les Jeux olympiques de la jeunesse, mais c'est une année qui a vu toutes les catégories du football qualifiées pour la prochaine Cannes. Nous avons vu aussi la petite catégorie au niveau du basket qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Le handball vient de le faire et le de soccer vient de le faire. Cela montre effectivement qu'il y a des pas sûrs et la construction est en train de se faire et que le Sénégal a un lendemain prometteur, surtout en ce qui concerne le sport. Je voudrais féliciter le président de l'ODECAV, mon cher ami Ousmane, pour le travail colossal que tu es en train d'abattre avec tes amis, dans la rigueur, mais aussi dans la générosité. Bien évidemment, vous êtes dans un système, vous êtes géré par votre cher ami, Tierno Baylabas... que je considère comme, une famille, comme, comme un frère, de même père et de même mère. D'ailleurs, je voudrais présenter mes excuses aux amis de Baila, Parce que Baila est allé me prendre une deuxième femme. Mais la première pensée que j'ai influencé Baila, qui en a pris une quelques mois après. Cela veut dire que nous sommes ensemble. Nous gérons non seulement le sport, mais nous avons, nous partageons tout. Mais la prochaine fois que je t'envoie me prendre une autre femme, tu n'as pas besoin d'en prendre une autre.

di wax ne Thiès réew mi moo am yaakaar ci yéen surtout ñu nekk ci sport bi suñu dajoo dajaloo ñun ñëpp amul parti politique c'est la famille sportive et la famille sportive dañu nit ñi dañu gën a am yaakaar ci ñun parce que fu ngeen nekk vous êtes au service des populations li ci des moom mooy di gërëm ñi leen di jàppale les partenaires c'est important parce que nag Sénégal bu ñu bëggee sport bi dem état rek mënu ko yor donc nous avons ci yeneeni mbir war sport parce que sport doit tirer la diplomatie mais sport doit jouer un rôle dans le développement économique et social li ci est rek ak le président Macky Sall ñëw venu au service la population sportive de Thiès mais aussi une alternative à Léopold Senghor parce que nous tëj Léopold Senghor donc l'équipe nationale du Sénégal fii ci Thiès lay di recevoir le temps ñuy pareil, liggéey bi ñu def stade euh, Léopold. leneen li nga xamante moom la ñuy wax mooy ku defar Lat Dior forcément di nga jàppale Maniang Soumaré parce que ñax muy dund moo nekk fii ci Lat Dior est li fi c'est ci ASC li club barina ku bëgg entretenir les milliards yi ñu def fii ci Lat Dior il faut nga defar Maniang Soumaré pour permettre les sportifs de Thiès ñu am fu ñu tàggati seen yaram kon maa ngi sant waa Thiès yëpp di feddali sama kóllëre ak yéen waaye di wone sama cofeel ci waa Thiès te di wax ne à part Fatick Thiès mooy sama dëkk parce que samay xarit Thiès la ñu nekk loolu nak sama xarit yi buñ ne day politique politique mo waxu deug lay wax parce que ça je l'ai répété plusieurs fois avant may nek sax homme politique sama xarit buñu nekké fukk suñu di lim lo ëpp benn yi fi lañu ci ci Thiès kon Thiès labok mangi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu parce que tuti diiné la peut-être bi dugg si sax am na désagrément loolu laa waroon njëkkee parce que ay nit ñu toog di reer ngeen ñëw andi bruit bu dul jeex dinañu ci jégalu parce que dañu xaw a tardé li ci des mooy di leen ñaanal jàmm ñu fekke déwén fekke ko ay déwén yu bare bari fête bi gën a mag di gërëm Siré Dia nag sama xarit la moom tamit parce que loolu ñàkk man damay nangoo assumer sama amitié ak ay nit Siré suñu mag la suñu kilifa la

Hallelujah.